des reines. Cette chanson pour cette reine. Pour toutes les reines connectées. Maintenant. Dans un instant, je m'en vais avec le vent. Je m'en vais avec, euh, avec le make-up. Avec les fossiles. Toutes les femmes sont des reines. Ne crois pas les avec des larmes. Tout à la fada Ouais Nous parlons aujourd'hui d'élégance, de charme, de glamour, de coquetterie, bref, de beauté et d'esthétique. Mon binôme Rabbi Mekano a planté le décor hier dans l'émission en parlant de tendance mode avec l'œil jeune, c'est-à-dire le swag. Elle a choisi les mecs. Et eh bien moi, je me penche sur les meufs. Ouais Ok, super. Aujourd'hui, les femmes dépensent des fortunes dans les cosmétiques pour se rendre belle et attirante. Chez nous, les instituts de beauté et autres salons de coiffure poussent comme des champignons ces dernières années. La preuve est que Marie Bifono Marine s'interfère yadinno cimino la cimino d'accord yan ga sanno kayte ate cimino ya donc jirbe bande wol kuna dir sambu kanandi zongo bon bor waya gicindi yagga misali gawo wo boray ikurno salon de coiffure gite pédicure gite manicure faux fossile voire même des fausses fesses tous les moyens sont bons pour que les jeunes filles <laughs> il faut <laughs> ya Agono tu oh, pas au Niger quoi. Pas au Niger. Hey, au Niger. A quoi. Au Niger. Niger. Pour Niger. Au Niger. Au To Au bande no Niger. Au Niger. Au Niger. Au Niger. Au dan ga Niger. Au pour que aram Au Niger. Au Niger. Au Niger. borande al Niger. Yadin wala? Yadin dayno. Les femmes et l'esthétique se rendre belle, mais à quel prix Vous l'avez compris, c'est le thème de notre fada. Alors, que font-elles pour garder le cap de rester au top Question. Jusqu'à quand et à quel prix Une autre question. Comment sont gérées ces dépenses Cochine sont entre autres les questions qu'on va donc aborder. Pour en parler bien sûr des invités au féminin, aussi bien celles qui se font belles que celles qui rendent belles. Elles se présenteront tout à l'heure dans cette émission. Tout ça la fada, à part les discussions, c'est aussi la musique et une chronique sur la Startup Nation. C'est quoi une Startup Nation Présenté par Mr. Olivier, vous avez donc reconnu la voix qu'on va donc retrouver dans un instant, donc à la fin de l'émission. Si nos invités sont prêtes, je dis bien prêtes, elles sont les filles et les dames sur cette émission, on peut commencer. Vous êtes prêtes Hey Let's go, décollage imminent.

mari center a si situé kala dembissa clinique malibero troisième virage à gauche premier virage à gauche deuxième virage à go marine center walma ceerno plan wore fanadrese ma hala ay dere wala pour que auditeur et do auditrice e mbey nan kan irgo exactement mangano oh clinique malibero zabor bisaga hmm. troisième tournant hmm. même alignement hmm. Marine santa plako gogo drongo me agogo palake no de agogo palake chora agogo tafai e drongo. numo matini den se mari ben mari ben salongo mo ninno go gada bari promotrice Marine santa to son kaymena sandifo mari ninde gi sinti da legi to wanya do to halegi to mhm. marin mhm nay hasanifu. hasanni dine wo il faut qu'est-ce que tu entends way bor boriyan way minga ga hansi hmm. ngi da giti way bor boriyan ga jare amunga bon hagwai matai aminga bon hagwai way bor wada bon hagwai aninga hamo hansi hmm. aga chimno sanoda Oh, toutes les femmes sont des reines. Elles sont toutes belles, vous le savez. Voilà. Dandé, Valère. Hajia. Hajia, Aïcha. Son. ay mara ha indara gamara dine woy boru woy boru il faut de no bor tare ka tare il faut to woy bor boriyan hajiya to woy bor boriyan mm. hankan ganan woy bor mu bori mm -hmm. ay misale iga bagumu to haja o mm. kayni yakini fala fala mm. asinan woy bor mingi bonda am valeur mm. wai borda ga ba an bor kalde da ni zara hau kalde chada kal chada am kai ginga bon tebor mm. am kai ke fallon bor mm. ga singi mm. nga ga na ga te wai bor donc as fala as fala seni ne toutes les femmes sont des belles femmes il y a pas des femmes laides bor kul ga kokari sintina mm-hmm. ni ma hawai din bongo -hmm. mantikal ni ma dan nur bobo inga no ni koy gin bon hansi mm-hmm. son ne di son dai ka marinanewo santas mhm. dai ka ne wani di ba doye min ima tai hayakul ima hanse mhm. fahaman di se gani mhm. sin da noru igai hanse ai wala imai kai fossil imite tai to wadin wo man banfa aga il faut ke ni ga hamu ni ma boryanci mm. ni ma trete mhm. zama ga ham foyin gona kan gwanda wani kusa kusa yan mm. il faut que ga ham bor mu ga ham gome oh, ni mu koi ni mu kanewo goma ya ai shado mm. o oh, no din wadata ni mu kane mu goma jote bien ni mu lallada ni mu lallada to kai daga majia sanga wane to bor aya ko bi ajiya sai wallahi aram maram da bor On parle beaucoup de tendances et de mode dans l'univers de la beauté féminine. Quelles sont les tendances actuelles qui euh, cartonnent, mesdames et messieurs On écoute euh, ces quelques témoignages des jeunes de Niamey au micro de Zainabou Abdou et on se retrouve juste après. Bon, moi, personnellement, moi, je ne suis pas fan de ça. Et étant artiste, moi, là où ça peut me plaire, si je peux le dire, c'est quand on te donne un rôle à jouer sur scène et on te dit fais ça, fais ça, fais ça. Là, tu peux faire ça. Mais pour impressionner un garçon ou bien se faire des amis et adapter la culture d'autrui, moi, franchement, je suis, je suis contre ça. Quoi. Faut faire de faux puisque niginga ji wandi quoi puisque fondarano ni kubaira nimdi hay faut, faut fesse bon en kede no abori quoi e ke nika fois ke nin higi nima nimdi kan c'est pas ça quoi on me wodin gbahin kan da fayyan hay fo faut quoi rashid amadou macues nigdan perik nigo bore barmay sangi misal gay wonde de kanda o denna ma de ko wanda isi ba abay to son no no ma da an kan jene wati no matin wandi ine wane wo sangi namu no kamantir namu yanno namu yawo nongo fono ru fono da no matin wani wandi sanne yoga to ayaga bai de kan mm ngai mbo isalandai no la isalandeno no nekin parce que ngai mbo di ko ban wai kan nga bondi kak kak kak mhm. asine ga bisini man kay salan da kimi dayno na ma dayan kan je ne wuce ina ya make up ina ya cina an o yo godi ngai sedan da fossil ngai sen no matu non wondi woni waga hajiya aisha aiwa isan na ID kan kawai godai salan no hausan chaino gane ko kana da kyawu sai ka kara da wanka mm, eh. sanga misali ga ba dai ni ga hanan kala deydin ñumaygu tonton kala deydin ñumaygu tonton man ti zam seni gidara no ni gine ni siega ñumay kala te handu fo cimno sandodi to ni di wala wala mm, no ni ga hanse mm. o nim tun mhm. ni ma hanse to den ma ñumay may no gadi may no gadi kan no ni ga bori astemi ngay mboda bore kan ga bori ngay dai ni gaba mm. bor kan ga fumbu kan singa bon hanse di ah. ya ga go ni di wala ah ni ga sai kamuji jici to no ne mton ga zade kan ninno go marine center nino gama ke ninno ga so eske ce kan ngin kande cette tendance dene tendance misali ga il faut di fo no borge du dine salon de beauté il faut di fo do no arangte tendance mode kanga wo bor buryandi to ay kanga wo bor buryandi ga gumu mhm. zama di banga furne tang ken ne hansen non gaba din banga ce tamu ne to aban il faut di fon arang te o man te ce tamu wa kirite irigin akul kulo ni rite din mhm. ka ne ni gaba min bon sinsi, di mhm. ti saji non gaba wala mo niga ba min turnu hay kan ba kude iga tenisi maquillage iga tenisi de fosil nga ba iga tenisi de ongle nga ba iga tenisi akula kulo ni digitero sanga dire capitule sanga misali ga tres coiffure voilà pédicure manicure akula kulo ngono te tendance kan o bare inshallah de poudre ki de make up o ngre akula kulo make up kan del borano te ngi are no borsi aga bora galgalan borsi haja mulher e fosse deno arango kurziga arango tabi aramu borise wuchese to irgo girbuta ka tagai mhm. ir kurinyaise mhm. ir kan hiji mhm. o kanya mai hiji mo inga arusaise tam kuna arus kuno siba ngam di wandi kan sibori yakin wal singu bondi mm. ya dinno ir kurinyai mo dol irm irim solise irim duga kanise kan ganan bifa ta isi wandi foyan sangara mi dan kulbano ya mai sanga misali mi na ah, sai ma makile sangara bar mi kadena no kadena don karan garan bombora ni se comme ça ba fata tare da worote a ungo mu fuda ka wan kenan mat kul kan hayo wanda yayi go te tare il faut que mu irmo irma te irkunya se imdi mariben mhm toy se mariben ai go mani se matano hunkuna mhm wai borai zai himai mate kayan go hangane mission wose pour qu'il bar mode de tendance il faut défendre humanité qu'est-ce qu'il faut exactement faire taw mm. ayo dai hansengo dai no mm. make up mm. inga dai no way bor fango no mo elle préfère naturel mm. naturel mo naturel mo amonto ibne kal de borte make up no barga bodi mm -hmm. ni go ha goydin ga hamo mm -hmm. ni go te go mm -hmm dingo te gomaji yan mhm. dole no ga hamu ga bora ga hana mm. sanga misali ga ba salon ga e ira bor tendance so do modo ran mm. gin kan ngin gomaji te san ke no make up te wodi ko make up bora son de visage son de visage Gingin son de visage hanote dingi mhm. ni ba chaque 3 semaines mm. wala un mois wala ba 2 semaines gono bora gingate. de bora ne te bora gin et bor 5 am te make up pour recevoir tout le contenu, abonnez-vous à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Soufflant en musique. Alors, Hajia, Naim Karando, Denaran, c'est musique. Musique, faut proposer ces émissions au bon. quand bora kul ginga ganu bora kul makani parce que dina émission mo une musique il faut noir proposer c'est comme ça irma irma hangan ker bande kayn formier gi ka haja aisha to musique il sait. ayo il faut ni gane nazir musique mata ko ku ɗau turame mata ku ɗau turame sanga misali wani tabi tabi Voici donc pour vous la musique Mata, Kudo Tourane de Nazir Ahmed du Nigeria. Mata Kudo Tourane yayi kuma ku ce na gidai anye sarkin Kano sunu sai na biyu. Duniya ta yi daɗi yayi kuma ku ce Kano da uban matasa To, mazan kwarai suna bisa aiki, matan kwarai ko kullum madaki. Wannan kiɗa kiɗan mata ne, yawan kiɗan na mai gata ne, talaka mai kuɗi daidai ne, ku ɗauka tamburan alarai ne, sarkin Kano mata ku ɗau tura yayi eh. kuma ku ce na sarkin Kano sunu sai na biyu duniya ta yi daɗi yayi kuma ku ce Kano uban mata ku na Merci, merci, merci, merci. Merci, merci bien, merci, place. Okay. Vous êtes surtout ça la fada. Et nous parlons donc de beauté aujourd'hui, les femmes et l'esthétique sur rendre belle, mais à quel prix Alors les invités, nous sommes avec Aïcha Maïlalé. Ouais Nous sommes aussi avec Marie-Belle. Ouais nous sommes avec la maquilleuse de Marine Center, Rachida. Nous sommes avec euh, Djamma. <laughs> Oh. et aussi un public très très chaud. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours à Marine Center, mesdames et messieurs, nous avions parlé dans un premier temps, euh, avec nos invités du rapport entre naturel et superficiel et tendance actuelle, nous abordons la seconde partie avec euh, nos séries de questions. Question, Aïcha, on sait que les make-up, crèmes et autres demandent beaucoup de sacrifices. L'allée demande beaucoup de sacrifices. Ils peuvent être financiers, surtout parce qu'être top, et le reste demande quand même de l'investissement, n'est-ce pas Mais comment vous gérez tout cela

wone ni business on before da non feri no matano non godira est ce que oborey igo kagati? est ce que oborey igo fatta est ce que oborey igo nga igo igo igo financièrement igo fatta est ce que ara murade go gite to il faut ni gine har kambar bar sintin wo tout début est difficile mhm, bien sûr c'est difficile mais borey go ka kayna mm. dina nan go bay moy kay bobu salon wo man ti haytno kan bar furu mm. zam borey son borey faham way faham mhm. bon han se man ti wati dinno mhm. wati din way borey no Is salon mm. son wo bora kul faham son wo son bora kul salon mm. hatta da ifo nigna ise ba go koy salon son make up pri kena marjano make up uh, oh, sanga misal ga kai be me ma bar mai sai go do to pri no mm. pri 10000 make up for zambarinka zambarinka dabar monduma nyum a gabar banduma nyum zambarinka no gati kaina na bo oh ikai na gati dimilo oh agon hal 50000 mil se me da ag kani borga anem koy make so ka jira ka bon ok ni kan bore make hmm. akan dai se sonda make up sanni sanga misali ga ngon zambarinki ngir Voilà. wala make up for de dinne te borase misali ga lokaci fo dumana ga gaimon dumaga fossilo de dene dambara se lokacin marjina te moise za oh. eh, gonda eh, nino, gonda experience to matina si mai kapo 24 hmm. heures sur 24 no hmm, sanga te borasi te borasi journal borasi hmm, son oh, de restaurant aguba ngam jio hang mo make-up ogaga matanda ne so mugu zuwa ça dépend da maquillage gine Uh, parce que boren original itera boren stere original oh maquillage mo original oh. original no guiné bu original no dino pensa original ki oh. ga te da original no parce que poudre hanen gon poudre gon kay yandi sungay mm. sad nani do ra gore bota gon mun bari complètement mm. a fo mo gon kan dini dan senga mu journal mi ami, ban sungai no ba de matren du hare sofo mo singe mo ma nyum mm. karen du hare sofo me fuga ngin mo ma nyumu. donc original gon wala gon haja ah, De, la lallade est ce que on aran arna murad yan fer lallara to alhamdulillah mm. lallara ai godu gai muradai murad kaini kaini en dai mm. son business ayo kal dai bor windi windi marje motu marje <laughs> windi yan kai igo fanda igo bandi igo ka igo banda o irkoi dai makiliyan ay fer ga kande comme mm. ça agati inshallah marin santar ni abi non fer donc du coup danga misali gaer irgin te jir fo bandrigi kagdi arami se rendre belle mais à quel prix et comme vous le savez, les produits cosmétiques en général sont bourrés de matières chimiques et toxiques pour le corps et l'organisme. Pour en parler justement de ses conséquences, on a interrogé Dr Amsatou. Il est au micro de Habibou Garba. Il a produit le maquillage. Donc, euh, les conséquences sont énormes sur la santé. Et à savoir, sur le plan dermatologique, nous avons beaucoup d'allergies, beaucoup de maladies, à savoir l'eczéma, les mycoses et autres. Ce que je peux leur dire, c'est que la beauté naturelle est meilleure. Si Dieu nous a donné cette peau-là, c'est pour nous protéger contre certaines agressions extérieures, à savoir le soleil, le vent, les éléments naturels et sans compter les, microbes. Et ces manifestations-là peuvent aller jusqu'à, jusqu'au cancer de la peau. Je rappelle que vous pouvez recevoir nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Un peu de musique et on se reprend tout à l'heure, mesdames et messieurs. Ok, d'accord. <clears throat> toutes les femmes sont des reines. Ben, elles sont toutes belles, mesdames et messieurs. Alors, on n'a que des reines sur cette émission. Je vous demande, mesdames et messieurs, de faire un maximum de bruit pour toutes ces reines qui sont présentes sur cette émission. Alors on va vous honorer, on va faire plaisir parce qu'on sait que la femme est une créature sacrée. Elle est issue de la côte gauche de près du cœur pour être aimée, sous le bras pour être protégée. Nous allons vous proposer tout de suite et maintenant sur cette émission Ismaël Lo. On avait donc introduit avec cette chanson. Voici donc pour vous toutes les femmes sont des reines. Eh bien, elles sont reines, elles sont toutes belles ce soir sur l'émission. Vous qui êtes en train de regarder cette émission, vous êtes femme, vous êtes belle. Cette émission vous concerne. La beauté à quel prix Voici donc pour vous Ismaëlo et tout de suite la suite. Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Elles disent des choses qui surprennent, elles brisent les hommes qu'elles enchaînent cette chanson pour cette reine qui dit à son roi maintenant, je m'en vais avec le vent, avec les barbares d'Occident. Ce que tu n'as pas défendu par les armes, ne crois pas le garder avec tes larmes. Je m'en vais où ton peuple va. Je m'en vais me chercher un autre roi. Toutes les femmes sont des reines, sur terre, sur mer, neige ou désert. Derrière le voile des formes pleines il y a le mystère des sirènes. Brûler les villes, brûler les bouches. La flamme lèche et le touche. Dernière série de questions pour nos invités du jour. Le thème, nous l'avons dit, les femmes et l'esthétique, se rendre belle, mais à quel prix On a parlé d'impact, de coût à présent. Aujourd'hui, à votre avis, quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour être belle et chic en protégeant son corps et son organisme Marie, il faut donner borom bo bori, nim sogo, kangana mo nim sia, kandenga mo setali. Parce que Borfon est exagéré. Borfon kol faut sur le ma ne kol minute moni ga danda. To matin de matin bori ma bormte pour que nga mo am gorbani nim ban nim bori nim gormo matamata Marie to fo silowo day i sadande kol minute mm, ay ma wodin mom <laughs> ok d'accord to il faut no borima borumte pour que borum gormani inga day ne cini sey mm. gommage o mhm. da son de visage o mm. bor min gamo ha goy aban bor min gamo ha goy ngono na borum bormata haji aisha lalla wori baki na ag bori lalla boran na ag ba safar mais boran gon kan asido ga babandi dina sido babandi mo din lalla dan kan baga kambo bu kanga ka kan lallago ngani gu kopta kasumda asido gu dori koptaran kopta borga asido ngwa anfan Matin de matun bori ma bor mute kan bor lalla dan bor bori bor musa asido lalla wana wa koptara to wadin kai dai di borai kan yanga ta yi lalle mm. kan yanga asido dan ara imsi so bai gidan asido ma bagu zama asido bor leban asido ifo ni gini aga agi hayo ga hamai agi sara isi ya ne mm. afo aga te isi buton yan mm-hmm. afo yan aga te isi de manje zon yan kenan di sur doza hayuwa mm. doza joda ba da ba kuma mai di lallafin ru ya kini kan igite kusura wana ingu mhm. ya kini asinda inconvenient ya kini bubu asinda matsalfo ya kini mhm. rashida no eh, no expert no expert make-up expert fossile expert fossin expert phosphate on sida odia comme ça to ok ay ma odia hein. donc son no maintenant no di wo na matkangna munduma Am-goro, sac, poudre, am-seba, amste bouton parce que nous expert no ni be mat kancina den expert mo vraiment ni be mat kancina no ni haraka ni haya da to mat cina no no diyanga wo borai zai ima imte kangana im goro bori igi bori kan mondu mai mo talibis bariga wal ga mai talibis bariga to wo borci no ai kuno siga mondu may sara hmm de mai sara kan isu isu suban nan kan koy ga hari hanete mm. parce que han fon falno e gana han fon falno e gana falan bor falandi mm. parce que maquillage yo gon bor en gon maquillage din podu yam ngise mm -hmm. buto ina e kamuno mega ulam ti se allergie hein. mm. agon me di bodda hanna mm. dini hanna da fosi din bokan godi dini mm. dan se kollala kola handa gona ki fosiro denda mm -hmm. se kolla langa te kan fo ngiri mo kungai mfusu fusu -hmm. amti hmm. se danga samia ara haraka mm. amoize chirandi me dibora na kola di dan bora se kola hanna normal ai kunasti stay kalidin turi mo sai ma kanu musa sin da asina dorandi koliya ma fosilo aga ah, nan bora mo zem cire am cire sanga gurum tantabal aga cire wala mo am bora mo kungai fusandi sanga gurum tantabal sanga gurum pour recevoir nos contenus mesdames et messieurs envoyez jeune au 80 06 88 54 alors cette fois-ci nous allons accueillir notre chroniqueur maison on l'appelle Mr Olivier alors vous êtes des reines, c'est le seul mec sur l'émission. Parce que moi, je suis le présentateur. Alors, il est aussi présentateur sur cette émission. C'est le chroniqueur Mr. Olivier que je vous demande d'applaudir et d'accueillir, mesdames et messieurs. Merci à vous. Alors, tu sais que toutes les femmes sont des reines. Ouais, toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont des reines. on n'a que des reines sur cette émission. On n'a que des, des reines. qui écoutent cette émission. Bien sûr. Qu'est-ce que tu apportes pour les reines Alors, j'ai un truc de roi pour vous, les femmes. Ok, super. Un, truc, de, roi. Pour les Let's go, mon maniga. Comment Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Au moment, où vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît. Vous avez créé votre entreprise, c'est ça Oui. Depuis quand Quelle année Maintenant, ça me fait 10 ans dans ça. Ça vous fait 10 ans Oui, 10 Alors, ce soir, on va parler de la notion de start-up. Et toi, tu as créé ton entreprise euh, en quelle année ça fait juste deux mois. Ça fait juste deux mois. Donc tu l'as créé en 2019. En 2019, oui. Alors, si vous nous écoutez, ce soir, nous parlons dans la chronique de la notion de start-up. La notion de start-up, une notion qui continue de faire rêver jeunes et aussi des politiques. Les dames que nous venons d'écouter sont tous des responsables de start-up. Pour certaines, leur start-up a déjà 10 ans et pour d'autres, ne serait-ce que deux mois. Par définition, une start-up, c'est quoi C'est une entreprise en perpétuelle croissance, pour la plupart dirigée par des jeunes et bien évidemment des moins jeunes les startups représentent l'avenir économique de la plupart des pays africains. Et bien aujourd'hui, on parle carrément de la notion de Startup Nation qui se définit comme quoi Comme étant l'implication des pouvoirs publics pour favoriser la création et la croissance des startups. Et autrement dit, les politiques qui prônent la création de jeunes entreprises et faire d'elles des champions. Cette méthode consiste en clair, par exemple, à créer un écosystème adapté aux petites et moyennes entreprises. Vous attendez quoi de l'État Si je vous demande aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse pour vous Maman, est-ce que vous attendez quelque chose des pouvoirs publics Maintenant, ça me fait 10 ans. Jusqu'à présent, dans mon entreprise que je fais pour le Héné, là, j'ai pas eu une donation de, de l'État. Jusqu'à présent, je n'ai rien eu concernant, provenant de l'État nigérien. Hmm, je ne sais pas, peut-être à l'avenir, ça peut se faire. Quoi. Inch'Allah, peut-être à tous à la FADA. Si je vous ai posé cette question, c'est parce que l'État a un rôle à jouer pour protéger et encourager le développement de ces jeunes entreprises. Et quels sont peut-être les rôles de l'État Il faut peut-être que l'État créer un écosystème adapté aux petites et moyennes entreprises, réduire ou supprimer les frais d'impôt, encourager les initiatives des jeunes entrepreneurs. Vous espérez ça Vous espérez qu'un jour l'État supprime vos impôts Bien sûr. Ça va vous aider Bien sûr que oui. Avec ça va beaucoup nous aider. Ah, voilà. <laughs> Alors, le Niger est-il une startup nation Hima Zibo Idrissa est le président de la plateforme Jeunesse et Entrepreneuriat il donne son avis sur le sujet. Écoute ça. Aujourd'hui, euh, comme dans presque tous les pays, je pense que le Niger aussi euh, n'est pas resté en marge de cette transformation. Euh, au-delà même de, la maison de l'entreprise, au-delà même des centres incubateurs qui sont là, nous avons aujourd'hui un ministère qui est dédié à l'entrepreneuriat des jeunes. Donc vous voyez un peu, c'est une innovation qui est là. sans compter les exonérations aujourd'hui qui sont prévues. pour aider les jeunes entrepreneurs qui peut aller jusqu'à trois ans d'exonération vous voyez un peu la facilité de la création de l'entreprise qui aujourd'hui revient à la baisse. Nous avons aujourd'hui avec les 7500, le jeune il peut formaliser son startup, il, il peut déjà commencer ses activités. Alors oui, le Niger est une start-up nation et nous y croyons fermement. Alors, si selon certains observateurs, cette notion de start-up nation est utilisé par les politiques pour justifier l'incapacité de création d'emplois dans les pays en voie de développement comme le Niger. La notion de start-up fait son bonhomme de chemin. Et pour les jeunes, quand l'État n'arrive pas à embaucher, il faut alors monter son business. Merci. Je peux monter mon business Ah ben tranquille. Super. Alors c'était Mr. Olivier, mesdames et messieurs. C'était notre chroniqueur. Mr. Olivier, merci en pour ces propos. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Chacun va placer un dernier mot en ce qui concerne le thème du jour. Alors, on va commencer d'abord par Aïcha. Aïcha, ça va bien Oui, ça va. Donc, vous avez aimé la chronique Oui, j'ai aimé ça. Alors, sur le henné, l'allée. Hmm. Ça rend aussi belle les femmes. un dernier mot à l'égard de toutes les femmes pour que dans l'allée, ne go bondi zane kalkauye nan kulkanno waiboraigo imutunaga kai bondi imuturu imate ingai hayo ingai gomage imte ingai up ba simple no imate imka imadan lalle oh, ima doga aro sai imdo ingai kurnye